Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis à Niamey ce vendredi pour deux sommets successifs. Le président nigérien Mohamed Bazoum a présidé la cérémonie d'ouverture du sommet de l'Union africaine sur la diversification économique en Afrique et d'une session de la zone de libre-échange continentale africaine. La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence Mahatma Gandhi en présence de plusieurs dirigeants africains dont le président en exercice de la CDAO et président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo. Dans son discours d'ouverture, Mohamed Bazoum a rappelé que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de 4%, déplorant le faible niveau d'industrialisation du continent. Le double sommet s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique, dont les travaux ont été lancés lundi dans la capitale nigérienne.